Bye. Chers euh, auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des éléments de réponse aux questions que vous vous posez au quotidien. Ce soir, nous allons parler de la contribution de l'alphabétisation dans l'apprentissage des métiers au Niger, définie par les spécialistes du domaine comme étant l'acquisition des connaissances et des compétences de base principalement en lecture et en écriture. L'alphabétisation constitue de nos jours un véritable moteur du développement durable pour nos pays dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, l'alphabétisation impacte au marché du travail, contribue à l'amélioration de la santé, de la nutrition infantile, la réduction de la pauvreté et le développement des chances. Dans la première partie de ce forum, nous ferons la situation de l'alphabétisation au Niger. Ensuite, nous nous intéresserons dans la deuxième partie à l'apport de l'alphabétisation dans l'apprentissage des métiers et la lutte contre la pauvreté au Niger. Nous terminerons enfin dans la troisième et dernière partie de ce forum avec les défis et les perspectives pour améliorer l'environnement lettré au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Madame Hachabi. Kajima Kuriram, directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale. Madame la DG, bonsoir. Bonsoir à vous. Et docteur euh, Mohamedou Kouraou, il est anthropologue. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue à vous, chers invités, à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Débutons par la première partie de ce forum et c'est pour parler de la situation actuelle de l'alphabétisation au Niger. Madame Hachabi Kajima, directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale. D'abord, définissez-nous l'alphabétisation. Qu'est-ce que c'est Je remercie le studio Kalongu donc de nous donner euh, cette opportunité euh, pour parler euh, du secteur de l'alphabétisation et éducation non formelle. L'alphabétisation et éducation non formelle, selon la Lausanne, donc c'est un... la loi sur l'éducation. Oui, la loi d'orientation sur le système éducatif du Niger. 98. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc c'est une forme d'éducation qui se fait hors école. Mm-hmm. Donc l'alphabétisation a pour cible les jeunes adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont quitté l'école très précocement. Donc l'alphabétisation permet donc aux adultes euh, de 15 ans et plus à apprendre à lire, à écrire et à comprendre aussi et développer des compétences de vie courante. Mhm. Et quant aux enfants de 9 à 12 ans, donc l'éducation non formelle le permet d'avoir des compétences de base pour intégrer le système formel ou pour euh, aller dans la vie active avec la pratique des activités génératrices de revenus. Vous avez parlé de l'éducation non formelle à l'intention des élèves euh, de 9 à 12 ans, mais qu'est-ce que c'est l'éducation non formelle, elle L'éducation non formelle, donc, c'est une éducation à l'endroit des enfants de 9-12 ans. Donc, les enfants de 9-12 ans qui n'ont pas été inscrits à l'école ou qui ont quitté l'école très précocement. Donc, il y a un programme qui leur permet d'accéder à l'école formelle ou à la vie active à travers l'apprentissage des métiers. Mhm. Donc nous avons des programmes de 9 mois. Un enfant inscrit dans un centre euh, d'éducation non formelle, après neuf mois, il intègre le système formel à partir de la quatrième année du mhm. primaire. C'est-à-dire le, CE2. E mhm. Les plus performants. Les moins performants intègrent le système à partir de la troisième année, c'est-à-dire le CE1. Et il y a un autre programme aussi, après trois ans, il intègre le CEG, le collège, ou bien ils vont dans la vie active avec l'accompagnement surtout du ministère des enseignements professionnels et techniques mm-hmm. dans les CFM ou les centres de formation, formation ou à travers ce qu'on appelle les FIP, les formations initiales pré-professionnalisantes mm-hmm. qui leur permettent d'apprendre un métier pour être utile dans la vie active. Merci, Madame Achabi Kajima. Vous êtes la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale. Docteur Mohamedou Koro, anthropologue, pourquoi dit-on que l'alphabétisation est importante Bien, je vous remercie de l'occasion et de l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur un sujet d'actualité euh, ici au Niger et de manière générale au niveau de l'Afrique parce que d'abord au niveau de la pyramide, quand on constate la pyramide, donc la population est très jeune, vous voyez, et c'est à ce niveau que pose justement ce problème d'éducation. Et en cela, euh, l'alphabétisation est un instrument justement pour pallier hein, ceux qui n'ont pas eu la chance de fréquenter le système formel. Du fait que la formation soit, constitue un, droit, alors exclure cette majorité de la population constitue une violation flagrante de leur droit à l'éducation. C'est cela. Mhm. Et par ce biais, les décideurs politiques et autres structures associatives ont jugé utile de concevoir des systèmes et des programmes pour justement pallier et réparer cette injustice. En cela, l'alphabétisation a contribué de manière efficace et efficiente justement à promouvoir la connaissance et l'apprentissage mmh. dans nos pays respectifs. N'oubliez pas que dans ce domaine, le Niger fut un pionnier en matière d'alphabétisation. Et à cet effet, l'expérience nigérienne a édifié pratiquement tous les pays de la sous-région. Alors, ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que l'initiative prise par le passé n'a pas pu justement évoluer de manière positive pour tout simplement les raisons d'ordre structurelle. Vous parlez d'initiatives prises par le passé. C'était quoi, par exemple On a l'exemple de la télévision scolaire. Il y a la télévision scolaire qui mhm. était euh, une manière euh, de former mhm. hein, et les élèves. Euh, après, maintenant, mhm. il y a eu une évolution, il y a eu une école expérimentale, je crois, quelque chose comme ça. Et au niveau de ces centres éducatifs, c'était les langues maternelles qui étaient privilégiées. Et les résultats étaient édifiants, que les enfants apprenaient vite et assimilaient vite. Et c'était ça justement l'importance de ce volet-là. L'assimilation, apprendre vite, assimiler. Et c'est l'apprentissage et l'assimilation qui vont faire en sorte que les gens arrivent à s'épanouir d'abord, mm. maîtriser ce qu'ils font, et de manière efficace à avoir des résultats édifiants dans le processus du développement économique et social du Niger. Merci beaucoup. En ce qui concerne le Niger, l'Institut national de la statistique INS a relevé que le Niger fait partie des pays ayant le plus faible taux d'alphabétisation, soit 28,4%. Cela veut dire que plus de 70% de la population de 15 ans et plus ne savent ni lire ni écrire et n'ont pas pu développer des compétences relatives à la vie courante, a déploré le ministre de l'Éducation nationale, Dr Rabiou Ousmane, à l'occasion de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre 2021. Madame Achabi Kajima, directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale. Quelle lecture par rapport à ce faible taux d'alphabétisation de la population nigérienne. Merci, monsieur. D'abord, euh, je dois un peu revenir sur la question euh, de l'introduction de l'alphabétisation dans les années 60. Et c'est ça même ce qui a fait, c'est l'alphabétisation à travers la télé. L'alphabétisation à travers la télé que tout le monde connaît. Voilà, scolaire. il y avait la, télévision mhm. scolaire et donc l'alphabétisation à travers la télé où les gens, Yaki, déjà Hilchi, mhm. Djangin, El Djambé. Donc vraiment, les gens comprenaient facilement. Les gens comprenaient facilement. Et donc euh, tout ça là. Mhm. Et, il parle vraiment du, recul euh, par rapport à euh, toute cette euh, pratique. Mhm. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce taux aujourd'hui, en tout cas, c'est un taux vraiment en dessin, en dessin même des normes si on veut parler de décollage économique et social. Mhm. Aujourd'hui, on sait très bien que le niveau d'éducation euh, d'une communauté, en tout cas, reflète aussi le, niveau euh, du développement euh, d'un pays. Mhm. Et c'est pour cela les institutions internationales parlent toujours d'au moins 50% d'alphabétisation pour mhm. qu'on puisse parler en tout cas de participation effective euh, de tous les fils et de toutes les filles au développement du pays. Mhm. Et, vous avez bien entendu euh, aussi la question euh, de, marginalisation, ne, ne pas donner l'opportunité à un citoyen de participer euh, au développement de son pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mhm. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'éducation. Ça veut dire qu'il faut être alphabétisé pour mieux euh, contribuer Bien au sûr, développement il faut être de son pays. Il faut être instruit pour mieux contribuer, ça c'est clair. Mhm. Nous tous, si on est là aujourd'hui, c'est parce que euh, on a appris à, lire, à écrire, on a mhm. été formé, on a été, voilà. Donc c'est dans ce sens qu'il faut voir en tout cas le défi lié à la question de l'alphabétisation avec le taux de 28,4% euh, ressorti de, l'enquête de l'UNESCO de 2014, mhm. euh, bien que ce taux aujourd'hui ait évolué à 31%, mhm. mais dans le rapport de 2017, mais mhm. on attend toujours euh, la validation de ce, de ce, de ce rapport-là. Parce que l'Institut national des statistiques, après avoir publié, validé, donc c'est à l'Institut quand même d'actualiser le taux pour que les, les, tous les acteurs utilisent. Merci beaucoup, Madame. Docteur Mohamedou Koro, nous avons donc euh, un taux d'alphabétisation d'environ 30% au Niger. Il faut préciser que quand on parle du taux d'alphabétisation, il s'agit de la partie de la population âgée de plus de 15 ans, c'est-à-dire les gens déjà actifs. Euh, on peut dire, euh, donc c'est dans cette fourchette de personnes qu'on a seulement environ 30% comme taux d'alphabétisation Quelle lecture à votre niveau par rapport à ce taux Bien, vous avez utilisé cette statistique. Mais sinon, d'après la publication de l'UNESCO, c'est 19,1%. Ça a évolué, on a vu cette publication. Ça a évolué. Mais ça ça évolue. C'est ça, madame la directrice oui, ce Ça a évolué, le taux de 19%. C'était 19%. J'ai vu la publication là où le Niger était cité dernier pays euh, dans le classement mondial. C'est cela. Ça a évolué, je pense. Ça a évolué. Voilà. De 2000, voilà. Mhm. Alors, Docteur, on vous écoute On peut rapidement expliquer cette euh, situation à travers euh, plusieurs faits. Il y a d'abord les crises économiques et financières qui ont secoué ce monde-là. Et ces mhm. crises économiques et financières ne sont pas sans incidence sur l'enveloppe que les bailleurs de fonds et les institutions internationales allouent pour justement soutenir ce volet. Mhm. Il y a le fait de sous-emploi au niveau de nos pays respectifs, ce qui fait que vous avez des diplômés qui sont au chômage. Cela n'incite pas quelqu'un à aller euh, se former. Celui-là qui a suivi le système formel Mm. il est nanti de diplôme et qui est là au chômage. Donc ça n'encourage pas. Mm. Donc tous ces aspects jumelés font en sorte que l'apprenant est découragé. Et mm. c'est d'ailleurs cette situation qui a amené la Banque mondiale à revoir le concept d'alphabétisation pour intégrer maintenant le phénomène d'apprentissage. Et c'est ce phénomène d'apprentissage qui va encore renforcer et les phénomènes, l'aspect alphabétisation pour faire en sorte que l'apprenant puisse acquérir des connaissances qui lui permettent de non seulement entreprendre des activités qui vont lui permettre de se développer, comme on l'a dit, mhm. qui vont lui permettre donc de réaliser ses rêves et en même temps, à travers ces activités, contribuer au processus du développement national. Mhm. Donc, c'est sur cette nouvelle perspective que nous sommes. Et sur ce plan, il y a effectivement des, des avancées, mais c'est du côté du politique. Le, le politique ne suit pas, puisque la population, elle sait ce qu'elle veut et à travers habitation, elle peut justement euh, se, se, se, développer mais de l'autre côté, il n'y a pas de mesures incitatives. Mhm. le politique ne suit pas. Et c'est ça qui freine un peu l'élan de cet apprentissage, à notre avis. Mhm. C'est donc votre point de vue. C'est cela. Et c'est ce qui justifie justement la faiblesse de ce pourcentage mhm. au niveau de la sous-région. Merci. Parlons à présent dans la deuxième partie de ce forum de l'apport de l'alphabétisation dans l'apprentissage des métiers et la lutte contre la pauvreté au Niger. Mais suivons tout d'abord les témoignages de quelques femmes ayant bénéficié de formations au niveau du centre d'alphabétisation de Goudel dans le premier arrondissement communal de la région de Niamey. On les écoute au micro de Rekia Arimi. Nous avons étudié l'alphabétisation pendant six mois. Nous voyons son importance aujourd'hui parce que nous arrivons à lire et à écrire. Maintenant, nous commençons les travaux manuels. Dans notre centre, nous avons choisi d'être formés en préparation de dégâts. Nous avons appris et nous l'avons maîtrisé. Maintenant, nous avons des clients et nous arrivons à vendre notre produit. Je lance un appel aux autres femmes de venir s'inscrire. C'est important d'être formé pour bien gérer son commerce. Nous avons eu les bienfaits de l'alphabétisation parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas avant. Nous ignorons le nom de plusieurs articles. Grâce à ces cours d'alphabétisation, nous pouvons franchir toutes les frontières. Nous recevons aussi des formations sur les travaux manuels. Si nous nous y mettons, ça sera très bénéfique, car les cours sont très intéressants. Au début, nous avons rencontré quelques difficultés, mais quelques mois après, ça va, on arrive à gérer. Parmi nous, il y a même d'autres qui n'ont jamais été à l'école, mais maintenant, ils sont capables de connaître les chiffres et de bien les prononcer. Vraiment, l'alphabétisation a des avantages parce que quand on avait commencé, on ne connaissait rien. Mais maintenant, on peut même aider une autre personne à lire. On apprend à faire le dégué. Ça a beaucoup d'avantages aussi parce qu'on nous a dit que si tu apprends bien, tu peux vendre et même l'exporter. On gagne beaucoup dedans. Maintenant, lors des cérémonies de mariage ou de baptême, on fait appel à notre groupe pour faire le dégué. S'ils sont satisfaits, on va nous appeler partout si Dieu le veut. Madame euh, Hachabi Kajima, directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale, quelle réaction par rapport à ces différents témoignages eh, merci. Euh, en fait, euh, euh, ces femmes-là euh, vont ressortir le lien entre l'alphabétisation, l'apprentissage des métiers et la promotion des activités génératrices de revenus. En somme, la question de l'autonomisation des femmes. Tout à l'heure, le docteur disait que on est les pionniers en matière d'alphabétisation depuis l'indépendance, depuis les années 1960. Et on avait commencé par l'alphabétisation des masses. L'alphabétisation des masses qui concernait tout simplement apprendre à lire et à écrire, juste à mhm. comprendre. Mais dès les les années 80, quand même, on a vu euh, euh, la pertinence de l'alphabétisation fonctionnelle. L'alphabétisation fonctionnelle qui est liée euh, au métier, aux pratiques des, bénéficiaires. Mhm. Et de là, on a évolué vers la prise en compte effective des activités génératrices de revenus dans les programmes d'alphabétisation à travers l'organisation des femmes en groupement à partir de, 1985. Dès l'ouverture des centres, on organisait ces femmes en groupement. On leur apprenait la vie associative pour euh, qu'elles puissent déjà voir euh, l'opportunité et qu'elles puissent déjà asseoir les principes de la pérennisation des acquis de l'alphabétisation et éducation non formelle. Parce que apprendre à lire, à écrire n'est pas une fin en soi. Il faut appliquer. Mm. Et mais appliquer, nous, nous avons appris à lire et à écrire. Aujourd'hui, chacun applique dans son domaine. Mm. Et c'est la même chose pour l'alphabétisation. Ce qu'ils apprennent à lire et à écrire, il faut que ça serve à quelque chose dans la vie courante. Mm. Et c'est ça qui a amené l'événement de, de l'alphabétisation fonctionnelle et l'avènement de l'alphabétisation pour l'autonomisation euh, des femmes. Donc l'apprentissage des métiers et aussi la pratique de ce qu'ils ont appris à travers euh, l'alphabétisation l'alphabétisation pour la promotion de ce qu'ils savent déjà faire mhm. ou bien de ce qu'ils vont apprendre au niveau euh, du centre avec l'accompagnement euh, des animateurs. Ça leur permet donc euh, de mieux comprendre euh, les métiers qui leur sont donc enseignés. Toutes ces femmes ont bénéficié de ces différentes formations au niveau de vos centres d'alphabétisation. Madame la directrice générale, comment fonctionnent ces centres d'alphabétisation Où les trouve-t-on sur l'ensemble du territoire national Merci beaucoup. Avant de, répondre à votre question, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Mhm. Ils ont parlé à travers ce qu'ils ont appris. Aujourd'hui, elles peuvent rentrer n'importe où. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que avant les cours d'alphabétisation, ces femmes, ces jeunes étaient renfermées en elles-mêmes. Mm. Elles se sentaient isolées. Elles, voilà, elles n'avaient pas la possibilité de donner leur point de vue, de participer aux prises de décision au niveau même de leur communauté. Mm-hmm. Et ce qu'elles ont appris au niveau de l'alphabétisation leur permet d'aller où elles veulent et aussi dire ce qu'elles connaissent pour pouvoir contribuer eh, au développement de, leur communauté. Nos programmes d'alphabétisation, eh, elle a dit, hein, elle a parlé de six mois. Donc c'est un programme de 12 mois, dont six mois par phase. Et c'est en langue nationale. Mais le français intervient à la deuxième phase, à l'oral, pour une ouverture des bénéficiaires. Donc elles sont alphabétisées en langue nationale. En langue nationale. Hum. En langue nationale, avec le principe de transfert, de bilinguisme de transfert. Mm. Parce que l'alphabet, il y a quand même des sons communs au français et aux langues nationales. Et c'est ça qui va permettre à ceux qui apprennent à lire et à écrire en langue nationale de faire très facilement le transfert vers euh, l'alphabet français avec la documentation, avec l'environnement lettré. Et les centres, c'est au niveau des villages, au niveau des quartiers. Et c'est vraiment une participation volontaire. Parce que nous sommes avec des adultes, avec des adultes qui savent ce qu'ils veulent, avec des adultes et même des jeunes, c'est des jeunes un peu plus grands qui savent déjà ce qu'ils veulent. Et c'est des inscriptions volontaires. Vous avez entendu, la fille a dit au début, on avait des difficultés. Mais hmm. après, quand même, on arrive à suivre, on arrive à tenir. Il y en a combien environ actuellement euh, c'est il, y en a. On fait un bilan à la fin de chaque campagne, ce que nous nous appelons campagne. Mhm. Et la campagne passée, pour la campagne euh, passée, nous avons eu 762 centres d'alphabétisation sur le territoire national et 920 centres d'éducation non formelle. Et comment fonctionnent ces centres d'alphabétisation et d'éducation non formelle L'accès, comment ça se passe, euh, Madame la Oui, l'accès, comme, comme je l'ai dit, c'est une inscription volontaire. Elle est gratuite bien, sûr, elle est gratuite. Mhm. L'école est gratuite. Les cours aussi, pour l'alphabétisation, comme je l'ai dit, c'est des adultes, c'est des adolescents. Ils ont aussi leurs préoccupations au mhm. niveau, au niveau euh, euh, de leur foyer. Mhm. Ils s'organisent pour arrêter des heures. C'est trois heures de cours par jour. Trois heures de cours par jour. Et là, ils s'organisent pour adopter un moment, mhm. une période qui va leur permettre, une période, si c'est la nuit, si c'est le matin, si c'est le soir. Et l'animateur est là pour suivre le rythme de ces bénéficiaires-là. Pour les jeunes de 9 à 14 ans. Ça, c'est euh, un programme qui suit le rythme et du programme du formel. C'est un programme condensé, mais quand même, euh, là, les cours vraiment, c'est euh, le matin et dans la soirée, comme le programme du formel. Mais néanmoins, il y en a des communautés qui font du matin de 8h à 14h pour mhm. suspendre. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment relax et c'est adapté au mode de vie de communautés bénéficiaires. Merci, docteur euh, Mohamedou Koraou, anthropologue. Euh, l'alphabétisation fonctionnelle, euh, comme Madame la DG a eu à le dire, des citoyens peut-elle contribuer de votre point de vue à l'apprentissage des métiers Oui, je dirais affirmatif. Alors, mhm. nous allons, pour étayer ou pour nuancer notre affirmation, présenter quelques exemples que tout le monde puisse comprendre l'importance de l'alphabétisation. Alors, quand on se réfère au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau de l'hygiène, de la santé, de la nutrition, on a fait un effort pour faire en sorte que les populations puissent acquérir des connaissances nouvelles leur permettant d'accroître leur production, en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, de parfaire leur santé en ce qui concerne l'hygiène et la santé. Mieux, ce que nous considérons aujourd'hui comme euh, l'avènement du numérique, alors à ce niveau, l'alphabétisation a un autre outil qui lui permet d'intensifier eh, ses activités en matière de formation, et aussi eh, de, vulgariser certaines connaissances à travers le visuel mhm. immédiat. Et de ce point de vue, l'alphabétisation peut permettre justement ce volet de connaissances, d'acquérir des connaissances qui constituent, à notre point de vue, une part importante dans le développement humain. Mhm. Et par ce biais, on peut bel et bien dire que l'alphabétisation contribue de manière efficace au développement économique, social et culturel. Et d'ailleurs, c'est par rapport justement à cette fonction que les acteurs sociaux incitent aux décideurs de tout faire pour rehausser l'image de noblesse mhm. de cette institution dans le développement économique et social de notre pays. Et mhm. nous sommes confiants quant à l'avenir. Vous avez mis l'accent donc, euh, docteur, sur le numérique. Il faut rappeler que pour l'édition justement 2021 de la célébration de cette journée internationale de l'alphabétisation, le thème euh, a porté donc euh, sur l'apport du numérique, c'est-à-dire avec aujourd'hui les téléphones, on mhm. peut faire des réalisations vidéo, des audios pour faciliter la compréhension par rapport à tout ce qu'on peut appeler ici alphabétisation. Rappelons aussi que l'indice de développement humain, IDH, du PNUD est composé de trois principaux indicateurs, à savoir l'espérance de vie, le niveau de vie mesuré par PIB par habitant et le taux d'alphabétisation et de scolarisation. À partir de là, peut-on déduire que contribuer à réduire le taux d'analphabétisme est synonyme d'une amélioration de l'IDH au Niger et de la réduction de la pauvreté Madame euh, la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère en charge de l'éducation nationale. Euh, l'alphabétisation, euh, euh, euh, en tout cas, euh, fait partie quand même, l'éducation, j'allais dire d'une manière générale, fait partie aujourd'hui. Du, des éléments composants, en tout cas l'IDH, donc l'indice du développement humain du PNUD. Et qui mhm. dit éducation et dit aussi alphabétisation, parce qu'il y en a une frange de la population qui ne peut accéder à l'éducation que par les biais de l'alphabétisation. Bien sûr. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la possibilité <laughs> d'aller eh, à l'école formelle. Mhm. Mhm. Donc c'est en ce sens que euh, la contribution, euh, en tout cas, euh, de l'alphabétisation est de taille et par rapport au développement même de l'humain et par là vraiment du développement euh, du pays. Donc j'allais parler euh, du développement euh, durable. Par rapport justement à la question de, de, de, l'IDH, cette préoccupation avait été soulevée par le, le, le, président donc sortant de, la République. de la République, Mamadou, mhm. donc qui avait demandé les actions à mener pour pouvoir en tout cas euh, relever en tout cas le, le, niveau euh, du pays par rapport à l'indice de développement humain. Et la réponse qui lui a été donnée, c'est de mettre un accent particulier sur l'alphabétisation des personnes de 15 ans et plus. Donc ce mhm. sont des personnes actives qui agissent directement sur euh, le développement du mhm. pays. Docteur, quelle action faut-il vite envisager à ce niveau puisque elle a eu à le dire, pour améliorer notre IDH, indice de développement humain, il faut prendre en compte également l'alphabétisation qui concerne les personnes âgées de 15 ans et plus. Bien entendu, il y a aussi la scolarisation qui concerne les personnes en âge d'aller à l'école, qui doit également être améliorée. Oui, l'éducation, c'est un droit. C'est un droit fondamental. Donc, à notre sens, l'alphabétisation là, mhm doit occuper euh, la première position. Mhm. Une fois que vous arrivez à modifier de façon significative cette position-là, vous allez voir les autres indices vont suivre. Mhm. Donc, l'alphabétisation, c'est un des pionniers. Et c'est la base, c'est là qu'il faut justement agir pour faire en sorte que ces indices-là suivent de manière significative. Mhm. Et par ce biais, la population va vite s'épanouir. Et donc, l'alphabétisation, c'est le pionnier. Mhm. Et n'oubliez pas que ce volet concerne la majorité de la population. Ce n'est pas une frange, c'est la majorité. Mhm. Agir sur ce volet-là, je crois que c'est faire en sorte que l'indice puisse évoluer de manière significative. Et c'est, à notre avis, le seul aspect, le seul volet où vous pouvez mettre les moyens et tout de suite vous allez voir l'indice là évolue. Hmm. En dehors des autres que euh, les Occidentaux nous Nous, à notre niveau, c'est ce volet-là. Et aujourd'hui, celui qui n'apprend pas, c'est lui qui est délaissé. Hmm. Prenez le cas de ces femmes-là qui parlent, en dehors de celles qui sont cloîtrées chez elles. Celles qui apprennent, elles ont beaucoup plus de chances de devenir quelque chose que celles-là là, qui n'ont rien appris. Et par ce biais, donc, elles sont prêtes justement à contribuer de manière efficace au développement de leur foyer d'abord. Il y a une émancipation. C'est cela. Mhm. Madame a utilisé le terme d'autonomisation. Mhm. Et, et c'est cela. C'est cela. Donc, à travers cette autonomisation-là, mais qu'est-ce qu'on vise de plus mhm. Que les gens s'assurent que les gens se forment, que les gens s'intéressent justement à ce qu'ils font, apprennent, acquièrent, et ensuite ils peuvent de manière efficace contribuer au développement économique et social du pays. Je crois que les exemples sont édifiants mhm. et nous ne manquons pas d'exemples euh, euh, tout à l'heure, nous avons parlé du phénomène de l'alphabétisation de l'agriculture, mhm. l'acquisition des semences, mhm. l'acquisition des intrants, ainsi de suite. Les paysans, les noter les noms des semences. Et vous voyez comment, justement, mhm. l'alphabétisation a agi de manière conséquente à avoir une production, euh, une autosuffisance alimentaire. Au niveau de l'élevage, c'est la même chose. Au niveau de l'hygiène, ainsi de suite. Donc, tous ces volets-là font partie, justement, dans l'analyse mhm. de ces indices de développement. Merci beaucoup. Nous allons justement terminer avec les défis et perspectives pour améliorer l'environnement lettré au Niger. Le Niger euh, dispose-t-il alors d'une stratégie nationale d'alphabétisation Madame Achabi Kajima, directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale. Euh, le, Niger dispose vraiment euh, de, plusieurs documents mhm. de cadrage et d'orientation, à commencer par la politique. Donc nous avons une politique nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Mhm. nous avons aussi un programme d'accélération euh, de l'alphabétisation euh, de la population, nous avons une feuille de route. Dans tous ces documents, il y a des objectifs clairs euh, qui sont bien élaborés et fixés pour pouvoir relever le défi. Le mhm. défi est justement en tout cas du fort taux d'analphabétisme de la population euh, de 15 ans et, plus. Malgré tout cela, qu'est-ce qui bloque alors Pourquoi on est toujours là avec euh, environ 30% comme taux d'alphabétisation au Niger Qu'est-ce qui bloque euh, Moi, je pense que l'alphabétisation, j'ai commencé par ça, hein. l'alphabétisation, c'est un sous-secteur de l'éducation. Mhm. Et aujourd'hui, l'éducation est dans une situation que nous connaissons tous. Mhm. Et très malheureusement, l'alphabétisation n'est pas épargnée de cette situation. Comment faire alors euh, pour que le Niger arrive à, réduire son taux d'analphabétisme, environ 70% à l'heure actuelle Vous avez parlé de l'éducation à la base. C'est vrai que si tout le monde va à l'école, naturellement tout le monde sera alphabétisé. Mais euh, pour ce pourcentage qui abandonne vite les bancs, avec des enfants qui n'ont pas donc euh, la chance de continuer comment faire pour qu'ils soient alphabétisés et qu'à l'âge euh, adulte, ils puissent être des citoyens responsables, prêts à contribuer au développement socio-économique de leur pays. Comment faire C'est simple. C'est la mise en œuvre effective des programmes, des politiques élaborées pour ce domaine. Mhm. Voilà. Ce programme dit tout. Tous les détails sont là dans ces documents. Donc aujourd'hui, c'est la mise en œuvre effective de ce programme-là que nous nous attendons pour pouvoir renverser la tendance. Quelles sont les propositions de ce programme, par exemple Les propositions de ce programme, euh, par exemple, euh, euh, pour la feuille de route, la feuille de route prévoit l'ouverture de 83 000 centres, 83 centres pour alphabétiser chaque année 2 500 000 personnes. Mhm. 2 millions 500 000 personnes, chaque, année. Mm-hmm. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de 762 centres. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centres qu'il y a lieu d'ouvrir pour répondre à ce qui est prévu Donc, dans votre programme. C'est ça la mise en œuvre. Donc le respect de ce qui est écrit, prendre mm-hmm. en considération les réflexions techniques et aussi le document de politique adopté par le gouvernement même en 2015. Mhm. Donc alors, s'il faut résumer, quels sont les grands défis qui se posent au Niger dans le cadre de la promotion de l'alphabétisation Les grands défis, les grands défis d'abord, c'est la question de coordination de toutes les interventions. Mhm. Déjà, je l'ai dit, il y a beaucoup de partenaires qui s'intéressent. Et nous, aujourd'hui, l'idéal serait que tous ces partenaires se fassent connaître par le ministère en charge de l'alphabétisation, qu'ils parle de leur, de leur programmation. Euh, qu'ils fassent savoir leur programmation au ministère et de l'autre côté que l'État aussi respecte les, engagements dans le document de politique élaboré et adopté par l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés au niveau des populations également qui parfois n'adhèrent pas euh, ça c'est des hypothèses. Mhm. Les, les hypothèses, les risques, ça, il y en a dans tous les programmes. Dans mhm. tous les projets de développement, on a toujours de parler des hypothèses. Et là, euh, euh, euh, on prend vraiment des éléments pour pouvoir dissuader ces hypothèses-là pour que les populations adhèrent. Mhm. Pour ça aussi, il y a des actions qui sont prévues, des actions de sensibilisation qui sont prévues par le document de politique et par le, le, programme d'éradication. Voilà. Docteur comment la société dans son ensemble et tous les partenaires au développement peuvent contribuer à relever ensemble ces grands défis liés à l'alphabétisation au Niger. Euh, avant de parler de ça, d'abord, j'aimerais quand même évoquer, euh, à l'instar de Madame la directrice, les défis. Mhm. Ce que nous avions relevé ici, c'est l'absence de synergie d'action entre les acteurs du formel et de mhm. l'informel. Mhm. Et aussi l'absence d'une volonté politique en la matière. Tout se résume à cela. Alors, comment faire Il faudrait d'abord qu'il y ait cette volonté-là, politique. Seule cette volonté politique peut résoudre tous les problèmes de l'alphabétisation. Et chemin faisant de l'éducation. Et la population qui bénéficie, tout à l'heure vous avez eu les échos mhm. des bénéficiaires. Ça va de soi. Et c'est des techniciens, ils sont expérimentés, ils sont mhm. formés pour ça. Ils n'attendent que cette volonté politique. Mhm. Tout à l'heure, Madame la directrice vous a dit qu'il y a déjà un programme qui a été mûrement réfléchi. Mhm. Au bout de trois ans, ce programme est capable de rehausser le taux d'alphabétisation. Au bout de trois ans, Mhm. Ce c'est des, des, des spécialistes, c'est leur boulot. Et c'est en cela, justement, qu'il n'y a pas cette volonté politique-là. Donc, tout ce qui bloque, c'est l'absence de cette volonté politique. Il faut prioriser, justement, le choix. Si le choix porte sur l'alphabétisation, il n'y a pas de doute que ce volet-là va réussir. Merci à vous. Un mot pour terminer. Madame euh, Hachabi Kajima, directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale par rapport aux perspectives en ce qui concerne justement la promotion d'un environnement lettré partout au Niger. Ok, euh, la promotion de, l'environnement lettré, euh, en tout cas, ça fait partie des dimensions euh, prévu par euh, la, politique et prévu par aussi euh, le, programme d'éradication de, l'analphabétisme. Mais cette promotion, hum. aujourd'hui, moi j'ai dit la question de l'alphabétisation, nous, nous sommes des techniciens, comme l'a bien dit le docteur. Nous sommes des techniciens. Et chacun doit apporter, comme je l'ai dit, sa pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Hum comprendre euh, l'importance de l'alphabétisation pour la communauté, comprendre l'importance de l'environnement lettré pour l'éducation. Et l'environnement lettré pour l'éducation, euh, ça veut dire euh, tout simplement aussi pour l'alphabétisation, il faut qu'on puisse développer, promouvoir les langues nationales pour que leur prise en compte soit effective même au niveau du, du formel. Il est réellement, comme l'a dit, on a déjà fait un pas par rapport à cette question de synergie d'action. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, de, au niveau de l'éducation non formelle, les enfants passent par l'alphabétisation pour suivre dans le formel. Donc ça veut dire que les conditions sont en tout cas déjà créées. Maintenant, on attend, c'est la mise en œuvre effective, en tout cas, de toutes ces réflexions euh, pour pouvoir euh, booster euh, le taux d'alphabétisation et en même temps d'améliorer la scolarisation des enfants. Moi, j'allais parler de l'adhésion des élus, mhm. des élus des collectivités territoriales, des élus locaux, des députés, pour accompagner l'alphabétisation des communautés qui les ont élus. Mhm pour qu'ils participent de façon effective au développement du pays. Merci bien. On vous a bien compris. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème contribution de l'alphabétisation dans l'apprentissage des métiers au Niger. Nous retenons que la promotion de l'alphabétisation favorise la participation citoyenne de tous les enfants du Niger au développement socio-économique de leur pays. La question de l'alphabétisation, c'est aussi une question de prise en compte du droit de chaque citoyen à l'éducation c'est ce qui a été développé par nos deux invités. Nous avons constaté que l'État fait beaucoup de choses dans le cadre de cette alphabétisation, mais beaucoup reste toujours à faire. Nous étions en compagnie de Madame Hachabi Kajima elle est directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale et de Dr Mohamedou Korou. Il est anthropologue Merci d'être venus, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour euh, la présentation de ce forum à la technique Mustapha Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour suivre un autre thème du forum de Studio Kalangu. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.